nous, nous avons toujours notre programme. Nous anticipons. Nous avions organisé un débat en 2015, mais nous avions senti en tant qu'intellectuels que l'écriture de l'histoire du Sénégal va poser des problèmes. Donc nous avons organisé avec des professeurs d'université, des professeurs de philo, de, littérature, etc., qui ont une expérience administrative. On a discuté ensemble de l'histoire du Sénégal. C'est une histoire qui a été contée et racontée jusqu'à présent par les griots et par les talibés. Donc, histoire mémorielle, comme le disait Chibou. Tu ne vas pas aller chercher des archives, surtout nous sommes dans une civilisation orale. Les archives écrites n'existent pas, mais quand même, on ne peut pas les exclure. Donc, dans la disons... Euh, Mohamed Mamadou Djouf, c'est un ami, on était ensemble à Paris. C'est un grand professeur à Colombian University. Moi, il dirigeait le département d'Afrique. j'ai un réseau, nous sommes à nous Paris, je suis président. Moi, Mamadou Diouf, ni que Baré n'a pas. Je ne sais pas si dana Baré, je ne je suis l'histoire de Kayor. Je me suis l'histoire du c'est pas waa Lat famille yu Lat Joor attaqué mais famille yu Demba War Sall ñoo ma attaqué invité ma si benn añ bu xam ne bi y avait vingt personnes ñu ko da nga saaga sunu maam mu ne ma man saagawuma seen mam donc déet da nga saaga sunu maam da nga wax ni sunu maam jaam la mu leen déet man saagawuma seen maam Lat Joor moo wax ni jaamu baayam yeeg maamam yi ñoo ko en tant qu'historien me raconter un grand personnage de l'histoire du Sénégal comme la Dior a dit et que j'ai répété mais wax naa lu nga ce que wax l'histoire du Sénégal l'histoire du Sénégal l'Indan si Ladior a perdu Demba Arsal Sall daf trahir man pour la première fois j'ai dit que ce fait que a perdu c'est que lui-même a trahi Demba Arsal. Sall problème il faut que moi dana am coow lu baree baree parce que ku nekk day bëgg nga wax sa communauté comme ni que euh, président euh, le recteur de l'université ku ne dafa bëgg am loo doon fii si présent Des ngay wut ay dans le passé pour mu donner le lolo. si présent et surtout que le jeudi soir est devenu très dangereux parce que jeudi soir bu nekk ku nekk def na xalifa baayam def na Mingi organiser ay gam bëgg na su organiser gàmm gi pouvoir bi ñëw indi ay enveloppe c'est en fonction de l'importance de chaque euh, manifestation c'est ça qui rend difficile l'ensemble de ces questions-là mais je veux aller au-delà de tout cela coow li bare na du coow loolu rek a bare jàpp nañu Adama gay bayiko japp nañu Khalifa Sall bayiko nous nous ba neex ñu créer un problème artificiel si fulaaru lycée Gendarme. des gens qui ont travaillé jusqu'à présent dans la totale complicité musul un problème ñu jékki-jékki rek ñu indil problème Nous ñu jékki-jékki rek mu am ñuy saga seigne Touba ak Alaaji Malick réseaux sociaux je ne parle même pas de réseaux sociaux je parle de ragots sociaux lu nga xamni musul fi am ñu tok tuuti rek nous remettons en cause l'école de l'âge humaniste avons une conférence du temps de l'homme. qui la mais que c'est quoi moi la question que je me pose qui est derrière tout ça est-ce que ce ne sont pas des contre-feux qui ont été allumés pour éteindre le vrai feu que constitue la gestion de nos ressources du pétrole et du gaz ah, en 2016 lorsque Macky a appelé pour la première fois pour le dialogue social pour le dialogue national. J'ai été à ce dialogue national. Et à l'époque, je leur ai dit qu'on avait deux priorités qui surplombent, qui surdéterminent l'ensemble des autres priorités. Le processus électoral et la gestion de nos ressources. Public, en direct, Nyop du Deg, Mani Makissal. Les ressources naturelles ne sont pas forcément une malédiction. Ça peut être une bénédiction. Je viens de Lima, le Pérou, qui est le pays minier par excellence. Ils ont multiplié par 3 en 10 ans leur PIB grâce aux ressources du pétrole, du gaz, du plomb, euh, de l'or, du diamant. C'est le pays minier par excellence. Mais il faut faire du benchmarking. C'est-à-dire constituer une délégation d'em Comment ils ont fait Émirats, Arabie Saoudite. C'est une question fondamentale. Et si aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de pétrole au Gabon, quand ko mais demain Abu Dhabi demain Dubaï demain Libreville tu verras la différence pourquoi parce que les Gabonais n'en bénéficient pas le Sénégal est un pays riche aujourd'hui avec les nouvelles découvertes le Sénégal fait partie des pays les plus riches du monde mais le Sénégal fait partie des hommes les plus pauvres du monde jusqu'à combien de temps nous allons accepter cela Nous ne nañu ba parler, mais a les jeunes y a war taxaw a vous donner l'exemple de Saint-Louis je suis de Saint-Louis man à Saint-Louis tous les ans il y a 75 femmes qui meurent en donnant la vie Il faut que nous gën découvrir pétrole le gaz une découverte Bob, su que dañ ko réinvestir dans la santé amati et j'espère que Macky Sall a un minimum de patriotisme patriotisme bi nekk y man a qu'un et qu'on va se mettre autour d'une table pour discuter. Il y a euh, le dialogue national. Mais moi, je ne crois pas au dialogue national. Je crois à l'alliance. L'alliance autour d'une vision, d'un objectif. Alliance, moi, on va se mettre derrière un tel objectif. Objectif, Bob, si fait qu'un Français, Anglais, voilà, qu'un Bougnognot, digne nous aussi l'alliance sera tellement puissante que nous allons c'est le peuple qui est derrière ça. C'est ça que nous devons construire et je suis prêt à m'investir dans ce nouvel objectif.